Monsieur Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers journalistes, chers amis journalistes, merci de vous être déplacés si nombreux pour ce point de presse. Vous le savez, l'heure est grave et notre pays traverse une crise sans précédent. Ce dimanche 25 février 2024 restera dans les annales comme un jour de deuil de notre démocratie, un jour sombre pour la République, un jour sombre pour le Sénégal. Permettez-moi d'abord, à l'entame de mon propos, de m'incliner devant la mémoire de toutes ces morts, ces morts pour le report de la présidentielle prévue Initialement, ce jour est reporté par l'unique responsable de la crise actuelle, le président sortant, M. Macky Sall. Les quatre jeunes morts, hélas, de cette décision malheureuse sont les morts du report, des morts de l'impéritie et de l'incurie de la classe politique Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, après huit mois de jalons démocratiques, après le retrait des fiches de parrainage par 268 candidats à la candidature, après le dépôt de 93 candidatures au Conseil constitutionnel, unique instance de supervision de tout le processus électoral après la validation définitive de 20, plus de 19 candidats officiels par le Conseil constitutionnel, sous le prétexte fallacieux de soupçons de corruption non étayés par une seule once de début de preuve, le président Macky Sall, en toute illégalité et de manière scandaleuse, a décidé d'arrêter le processus électoral en reportant le rendez-vous avec le peuple qui devait se tenir en ce dimanche. Il restera dans l'histoire et devant les hommes comme le principal acteur de ce plongeon dans l'inconnu, de cette prophétie autoréalisatrice d'une crise institutionnelle qu'il aura lui-même créée. Après cette forfaiture innommable, ce garrot qui a étranglé toute notre jeune démocratie au bord de la suffocation. Le voilà qui, avec toute sa désinvolture habituelle, dans un savant mélange de flou et de pièges, appelé à un soi-disant dialogue. Un dialogue moulu dans le dilatoire et le manque de considération de respect à l'endroit de son ou ses futurs remplaçants. Pour avaliser des schémas préconçus dans ses officines. Non, non, non, non trois fois. Nous n'irons pas à ce dialogue. Nous n'irons pas à ce dialogue nous n'irons pas à ce dialogue parce que la pratique habituelle du dialogue prôné par M. Macky Sall banalise l'idée même du dialogue. Et par là haute toute la quintessence du mot dialogue à sa véritable signification. On connaît la méthode du président Sall. Acte 1, on met les gens devant le fait accompli. Acte 2, on fait sa cuisine interne et on crée son monstre. Acte 3, on appelle les gens pour entériner. Rien que pour cela, nous nous opposons à ce dialogue car en réalité, il s'agit plutôt de compromission. Non pas, que nous soyons contre le dialogue, au contraire, toute notre trajectoire politique, notre pedigree, ainsi que nos déclarations promouvent le dialogue, ce rempart face au péril. Il y a de cela huit mois, en septembre 2023, apercevant déjà les nuages grossir au-dessus de nos têtes du fait de, des politiciens, j'avais longuement appelé à un dialogue. Certains d'entre vous en sont les témoins. Hélas, trois fois hélas, la bipolarisation mortifère que nous avons toujours dénoncée de l'espace politique a ignoré notre appel est en voici les conséquences. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, les termes de référence du dialogue sont déjà pupés par celui-là même qui appelle au dialogue. Ceci pour quatre raisons. Premièrement, la décision du Conseil constitutionnel ne souffre d'aucune interprétation et est très claire. Le président Macky Sall doit impérativement organiser l'élection présidentielle dans les meilleurs délais et passer le pouvoir avant le 2 avril les meilleurs délais supposent avant le 2 avril, date butoir de son mandat de 5 ans. Donc organiser un dialogue sur la date de la présidentielle est incongru et sans intérêt, sachant que la décision subventionnée est limpide. Deuxièmement, qui dialogue avec qui Le Conseil constitutionnel a validé une liste définitive de 19 candidats après le retrait d'une candidate. Et le chef de l'État veut qu'on dialogue avec des candidats non retenus, la société civile et certaines forces vives et les partis politiques dans leur globalité. Aucune de ces catégories ne sont candidats à cette élection. Rien que cette envie de mélanger des acteurs aux intérêts divergents traduit le cynisme absolu qui sous-tend ce dialogue. Sans rien demander, la coalition Papa Djibril Fall président a franchi les haies démocratiques avec brio. En dépit des invectives, de la boue et de la gadoue pour être au rendez-vous de 2024. Comme je le disais le 6 mai à Tchadiaï, lors de la déclaration de candidature à la présidentielle, Nous l'avions dit et nous l'avons fait. Et c'est le moment de remercier tous les serviteurs et tous les Sénégalais qui se sont mobilisés partout au Sénégal et dans la diaspora pour permettre à cette candidature d'être définitivement, d'être validée, mais pour permettre aussi à cette formation politique d'être définitivement une réalité politique. Nous disions à l'époque, le 6 mai, que caution l'UT, parrainage de l'UT. Pour rappel, pour rappel, en 2012, pour démontrer que les arguments qui ont été avancés par le président Sall sont des arguments fallacieux qui ne reposent absolument sur rien du tout. En, pour rappel, en 2012, les candidatures de M. Keba Kent et de M. Youssou n'ont pas été retenues. Malgré cela, le processus est allé jusqu'au bout. En 2019, celle de M. Karim Wade, de Malik Gako, et Bougan Keitani, et tant d'autres. Vous vous rappelez, en 2019, il y a ce qu'ils ont appelé à l'époque le C25. C'était aussi des candidats, entre guillemets, spoliés, en tout cas qui n'ont pas été recalés. Mais malgré ça, le processus est, pas, est allé jusqu'au bout. Pourquoi donc, faudrait-il cette année forcément faire dialoguer des candidats validés avec des candidats qui n'ont pas été retenus pour aller à la présidentielle Le tout dans un tel désordre dont on est à peu près sûr qu'il ne sortira aucun consensus. Nous ne serons pas à la table d'un dialogue débouchant sur un échec programmé. Troisièmement, pour justifier la tenue du dialogue, son initiateur, M. Macky Sall, avec ses co-organisateurs masqués ou démasqués, prédit la vacance du pouvoir après le 2 avril car matériellement, il a empêché au Sénégal d'avoir un chef de l'État à la date échue. Or, il porte l'unique responsabilité de la crise institutionnelle dans laquelle le Sénégal risque de sombrer après le 2 avril. Car le fait générateur de tout cela, c'est son discours d'arrêter le processus électoral à le processus électoral 10 heures avant le début de la campagne. C'est incroyable quand même. Heureusement que le Conseil constitutionnel a sauvé la République la démocratie en abrogeant son décret sans base légale et en déclarant la loi contraire à la Constitution. Le dialogue apparaît dès lors comme une tentative d'amassonnage, de pièges pour chercher des complices dans cet effondrement général de notre héritage démocratique. Rien que pour cette raison, nous disons non au dialogue. Enfin, quatrièmement, le vrai dialogue celui non galvaudé, est réclamé par les Sénégalaises et les Sénégalais. C'est le dialogue avec le peuple, par le vote. En tant que candidat officiel à l'élection présidentielle, j'ai la légitimité et la dignité de revendiquer d'avoir obtenu l'onction du peuple sénégalais à travers le parrainage en étant candidat, ni en étant candidat, ni par procuration, ni par procrastination. Que nous dit ce peuple Je le dis, je le répète, nous ne sommes ni un candidat mandaté par qui que ce soit, par quel lobby que ce soit. Nous ne sommes, nous ne sommes, nous ne sommes ni un candidat par défaut, nous ne sommes ni un candidat par procuration. Nous sommes un candidat qui a eu l'onction du peuple sénégalais. Que nous dit ce peuple Assez de vos tambouilles politiques et politiciens. Assez de vos querelles. Assez de votre brouhaha alors que le personnel politique est infiniment, est infiniment minime devant les boulangers, les entrepreneurs, les travailleurs du secteur privé comme du secteur public, les marchands ambulants, les tailleurs, les menuisiers, les mécaniciens, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, etc bref, toutes ces catégories sociales du pays, hautement plus dignes et plus soucieuses du bien-être collectif. Assez de ces politiques aériennes, Assez, assez, assez. Devant tant de peines, devant tant de morts, tant de blessures, à l'image de celles vécues par notre brillante et vaillante militante Chacha, qui a été sauvagement brutalisés par les forces de l'ordre. L'heure de la réconciliation, du redressement et du recentrage de notre pays est plus que jamais arrivée. C'est le sens de ma candidature et l'essentiel vers lequel nous devons toutes et tous cheminer ensemble. En peuple, en but, une fois. Vive la République, vive le Sénégal. maa ngi maa ngi nuyu maa ngi nuyu Sénégal sénégalais yëpp ak sénégalais yëpp di sant sunu xaritu journalistes yi suma mbokk journalistes yi nga xamante ni yëpp def nañ déplacement bi ñëw tey fekk si li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi ñu bëgg a seq ak sénégalais yi na teblewu ne fan yi yëpp sénégalais yu bari ñoo ngi naan Papa Djibril Fall gisuñu ko dégguñu ko waaye ñi ñu xam yépp xam nañ ne su coow li baree kenn duñu ci dégg kenn duñu ci gis buy taw tamit ni ñu koy waxe kenn du fobeere loolu moo taxoon ñu ne woon tekk di xaar waxtu wi jot ngir ñu waxtaan ak waa Sénégal yi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew leneen li it war a tekk tekkaaral bi mooy kenn dañoo yóbbaalewul ci dara duñu ko nangu ni ñu waxe woon ne doonuñu bu ma sàmba doonuñu bu ma demba bu askanu Sénégal lañu ñu doon dañoo jóg bàyyi li ñu nekkoon ànd ak sénégalais yi ak sénégalais yi nga xamante ni li ñuy dox ñor na leen ngir ñu soppi doxalin bi nga xamante ni moom moo am ci réewum Sénégal loolu moo tax bëgguñu ku ñuy yóbbaale ci loo xamante ni xamuñu lu ñu doon xamuñu kan moo ko yëkkati xamuñu kan moo ko yëngal xamuñu fu mu jëm loolu moo tax ñu ne woon tekk ba tey jii ci bés bi nga xamante ni bés bu am solo la di bésu 25 février 2024 ñu waxante woon ci ak sénégalais yi ngir lii ñu jëloon dénk ko Sénégal liñ jëloon dénk ko président Macky Sall bés bi nekkoon bés bi nga xamante ni ci lañ leen ko waroon a delloo ngir li ñu sénégalais yi waxoon ne bés bi ci lañ ko waroon a jël delloo waat ko. ñu euh, kàddu delloo ko askan wi askan bi daan nag ki nga xamante ni moom la bëgg mu jiite ko juróomi at yi nekk suñu kanam loolu lañ président Macky Sall xañ Sénégal waaye it loolu la politiciens yi yàgg jëflante ak réew bi moo tax ma jàpp ne Sénégal benn jàmbaar la am mooy peuple sénégalais mooy jàmbaar peuple sénégalais peuple mooy muñkat peuple sénégalais mooy jàmbaar joo xamante ni gaañ nañ ko façon gaañ bu nekk xañ nañ ko lu nekk xañ nañ ko jàmm biir xam nañ xañ nañ ko jàmm biti xañ nañ ko taw féexam ba ay ndawam amatuñu yaakaar ay magam amatuñu yaakaar ay jigéenam amatuñu yaakaar ay góoram it amatuñu yaakaar ñi nekk ci jàng njàng mu kawe mi amatuñu yaakaar gis ngeen fan yi ngeen gis bataaxal buy wane ne ñoo ngi tijjiwaat université Cheikh Anta waaye université Cheikh Anta ba mu tëjee it ba université Gaston Berger tijjee yëngu-yëngu yi ba mu fa amee dégg nga la ñu defati étudiants yi rey étudiant deeti te étudiant bu jóg dem ci université pour jàngi dee taxul dee yóbbu la xam-xam moo la fa yóbbu te loolu du lu bees lu yàgg la ci réew mi kon université jàpp naa ne 2024 bii politiciens yi war nañoo gurgul ba bu ñuy def seeni mbir ñu épargne ci université yi ba kuy dee ci dootul doonati étudiant bu ñu sañoon kenn du dee ñu li ñu wax boobu ba tey mooy bu ñu sañoon kenn du dee ci politique.